Il est 18h15 en Niamey, c'est l'heure du forum du Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème la célébration de la journée mondiale de l'aide humanitaire édition 2022 au Niger. Quelle réponse pour quel défi chaque jour, les travailleuses et travailleurs humanitaires aident des millions de personnes à travers le monde. La journée mondiale de l'aide humanitaire le 19 août est l'occasion de rendre hommage à celles et ceux qui font face au danger et à l'adversité pour aider les autres au Niger comme partout dans le monde. La journée mondiale de l'aide humanitaire est célébrée cette année sous le thème Il faut tout un village d'où l'importance de l'effort collectif pour répondre efficacement aux besoins humanitaires. L'objectif principal de ce thème est de mettre en lumière les acteurs de l'ombre qui font quotidiennement un travail remarquable mais qui n'est pas toujours visible. Le Niger continue d'être secoué par des crises et un cycle de violence dans les zones frontalières avec le Mali, le Burkina Faso, donnant lieu à l'intervention d'acteurs humanitaires. Les invités de cette émission répondront à ces questions. Quels sont les défis et les enjeux de la situation humanitaire au Niger Quelle assistance pour alléger les souffrances euh, des personnes affectées quel rôle joue la communauté locale dans cette réponse humanitaire L'insécurité persiste notamment dans la bande frontalière avec les pays voisins tels que le Nigeria, le Burkina Faso et le Mali environ 579 328 personnes sont en situation de déplacement forcé, dont 293 181 personnes déplacées internes, 250 656 réfugiés et 35 491 retournés. Le nombre de déplacés internes a doublé au cours euh, des trois euh, dernières années dans la zone euh, des trois frontières au Burkina Faso, Mali, et Niger et dans le bassin du lac Tchad en raison des exactions des groupes armés non étatiques. Le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance et d'une protection humanitaire est estimé à 3,7 millions en 2022 le nombre de réponses humanitaires 2022 pour le Niger cible 2,3 millions de personnes plus vulnérables ayant besoin d'assistance humanitaire. Pour ce faire, nous avons dans ce studio A Mohamed Chikawi, coordonnateur et représentant du groupe de travail humanitaire à l'Association des organisations internationales représentées au Niger OIRM. Mohamed Chikawi, bonsoir. Bonsoir. Ben Odoua, coordonnateur du cluster abri bien non alimentaire à l'Organisation internationale pour la migration. Ben Odoua, bonsoir. Bonsoir. Olivier Eyanga, coordinateur intercluster Oucha. Olivier Eyanga, bonsoir. Bonsoir. Et Amadou Adamou Outidjani, coordonnateur département communication et infodiffusion, rédacteur en chef du journal Solidarité à la Croix-Rouge nigérienne. Adamou Amadou Tidjani, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, Mohamed Chikawi, coordonnateur et représentant du groupe de travail humanitaire à l'Association des organisations internationales représentées au Niger, OIREM. Pouvez-vous nous parler ou nous rappeler brièvement de l'historique et le contexte de la célébration de la journée mondiale de l'aide humanitaire au Niger Merci pour votre question. Euh, c'est en août 2003, euh, à Bagdad, le 19 août 2003, qu'il y a eu une, attaque contre, à Bagdad, en Bagdad, Irak. en Irak. Merci. Euh, qu'a eu lieu euh, un attentat contre le siège des Nations Unies et cet attentat a fait des dizaines de morts. Et euh, en 2008, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté une résolution pour faire justement du 19 août la journée mondiale de l'aide humanitaire pour rendre hommage à toutes ces personnes qui se sont sacrifiées, qui se sacrifient pour apporter l'assistance aux autres. Donc voilà d'où vient la célébration de la journée mondiale de, l'aide humanitaire le 19 août. Tout à l'heure, j'ai évoqué le thème Il faut tout un village. Qu'est-ce que cela signifie de l'action humanitaire Vous savez, l'action humanitaire euh, nécessite la contribution de tous. Et les premiers répondants, généralement dans les crises, ce sont les populations elles-mêmes les populations locales. Les populations locales, les communautés affectées elles-mêmes qui, elles, les premières répondent. Qui se mobilisent. Qui se mobilisent. Par exemple, je vais prendre la population de Torodi, qui voit arriver des centaines et des milliers de personnes des villages environnants parce qu'ils fuient l'insécurité. Qui, qui sont les premières personnes à aider ces personnes qui se déplacent depuis les villages environnants, oh, c'est la population de C'est pris en compte. Absolument. Donc, D'où ce thème cette année de il faut tout un village. naturellement, c'est le, célèbre proverbe africain qui dit il faut tout un village pour élever un enfant. Alors nous, on dit il faut tout un village pour prendre en charge les populations. Ah. Il faut tout un village pour répondre aux crises. Il faut, donc ça signifie aussi qu'il faut l'effort de tout le monde D'accord Les communautés, les, ONG, le gouvernement, l'État, la, Croix-Rouge, tout le monde pour pouvoir euh, répondre aux, différentes crises. C'est pour ça le thème cette année, il faut tout un village. Mais c'est surtout aussi pour souligner, comme vous l'avez dit dans votre introduction, le travail qui est fait dans l'ombre par toutes ces personnes que l'on ne voit pas, qui ne sont pas sur la, sur la place publique, qui ne sont pas sur la première page des journaux, hein, et qui, grâce à elles, des personnes dont le besoin reçoivent les premiers secours. Voilà pourquoi il faut tout un village. Mohamed Chikawi, quels sont les différents types euh, d'assistance ou de l'aide humanitaire sur le terrain et quels sont les organismes qui sont susceptibles d'apporter cette assistance Dans une crise, les besoins sont nombreux. Je dirais que le premier euh, besoin, c'est le besoin de protection. Protection, ça, veut dire la protection, ça signifie tout. La protection, ça signifie la protection physique, la, protection morale, la protection psychologique, la, la, protection... physique euh, des forces de défense et de sécurité Ah, bien sûr, bien, bien sûr. Euh, ça, en fait partie, c'est parce ça qui assure la sécurité, d'accord C'est la protection contre, contre toute forme de violence, d'accord Que ce soit des violences physiques, des violences verbales, des violences psychologiques, des violences de déni de droit, etc. Donc ça, c'est vraiment... Ça fait partie de l'assistance. Ça, ça, fait partie de l'assistance. Et, et pour nous, la protection, c'est vraiment central à toute la réponse humanitaire. Après viennent naturellement les, les besoins de l'être humain. Les besoins de l'être humain, c'est quoi C'est manger, se nourrir, se vêtir, se soigner. D'accord Donc, les abris, les biens, ce qu'on appelle les biens non alimentaires, la santé, l'alimentation, l'eau, bien sûr. Euh, ça, ce sont les, principaux besoins auxquels la communauté humanitaire euh, essaie de répondre chez les populations. Quels sont vos besoins exactement sur le terrain euh, quand une catastrophe ou une calamité naturelle s'abatte sur une population Alors, généralement, les principaux besoins, c'est les besoins d'abri, hein, les besoins de, matériel, ce qu'on appelle les, besoins non alimentaires, c'est les besoins de se nourrir et c'est le besoin de boire. Vous avez aussi besoin euh, de l'aide de l'État bon, L'État, normalement, c'est le premier répondant hein, et le premier responsable de la sécurité et de la sûreté de, la population. D'accord Tous les autres acteurs viennent en appui à ce que l'État peut faire. D'accord Mais l'État, en particulier au Niger, hein, prend ses responsabilités et c'est le premier répondant. Ça, c'est très clair. Ben Odoua, coordinateur cluster abri bien non alimentaire à l'Organisation internationale pour la migration, qui est un travailleur humanitaire. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que pour aller un peu dans le même sens que ce que mon collègue venait de dire, Mohamed toute personne qui travaille pour fournir l'assistance dans les règles du jeu de l'humanitaire, que nous appelons les principes humanitaires, c'est cette personne-là que nous appelons travailleur humanitaire. Un journaliste peut être un travailleur humanitaire Bien sûr, un journaliste peut être un travailleur humanitaire, un journaliste peut perpétrer les informations, les messages dans les cadres humanitaires et dans euh, les principes de l'art c'est-à-dire en respectant les principes humanitaires. Ah, il y a des principes à respecter. Bien sûr, il y a la neutralité, il y a l'impartialité, ne pas nuire, par exemple. Quand vous, vous, amenez l'assistance humanitaire dans une communauté, tenez compte des réalités de la communauté. Faites en sorte qu'il n'y ait pas, votre assistance ne nuise pas il y a vraiment tout un tas de, principes humanitaires. comment, le savoir sur le terrain concrètement Comment savoir si une action nuit ou pas à une, communauté, par exemple La première des choses, c'est ce que venait de dire euh, mon collègue Mohamed, les premiers humanitaires, ce sont les communautés elles-mêmes. Lorsque vous venez avec une assistance, la première des choses, il faudrait vous assurer que vous respectez les principes de, d'information partage d'information. Il faut savoir ce que la population a besoin en premier. Il ne faudrait pas venir avec des solutions toutes faites. Ce sont les erreurs qu'on a fait par le passé. Aujourd'hui, nous avons un principe de la redevabilité. Il faudrait euh, parler avec la population en premier avant de pouvoir apporter l'assistance. Si vous parlez avec une jeune fille qui a besoin d'un kit d'hygiène, et que vous, vous venez avec autre chose, sachez que le besoin reste tout accompli, même à la fin de votre, de votre intervention. Ben, au doigt euh, de l'OIM, à la date d'aujourd'hui, avez-vous eu à faire une évaluation ou une estimation euh, des besoins humanitaires au Niger Nous sommes très contents d'avoir euh, l'appui déjà de l'autorité. L'autorité, c'est qui Du gouvernement Du gouvernement nigérien, au travers le ministère de l'Action humanitaire, gestion des catastrophes, qui, par exemple, pour euh, la saison dans laquelle nous sommes, la saison des inondations, nous, nous partagent des informations qui sont des informations officielles. À où nous parlons, euh, on, est, on est à plus ou moins 56 000 personnes qui sont touchées, selon le dernier, les dernières informations que le ministère nous a partagées le lundi dernier, plus ou moins 6 000 familles qui sont touchées. On a en plus de ça tout ce qu'il y a comme euh, gap et besoins qui, sont remontés par euh, beaucoup d'autres euh, mécanismes d'évaluation, comme, euh, comme le mécanisme de réponse rapide, le RRM, qui donne d'une manière régulière les évaluations multisectorielles, qui nous donne les besoins en abri, le besoin en bien non alimentaire, le bien en alimentaire également. Donc il y a tout un tas d'actions qui vont dans le sens effectivement de pouvoir d'une manière quotidienne, parce que le besoin, le contexte est interchangeant, on a des crises qui se répètent, nous avons eh, par exemple les inondations, le lundi. On a, on a eu 56 000, on ne sait pas ce qu'il y aura encore une fois le, euh, le lundi prochain. Donc c'est vraiment un travail continu qui s'est fait et à la tête aussi de tout cela, on a le bureau de la coordination humanitaire, OCHA, qui rassemble toutes les informations et qui peut les disséminer euh, à qui des droits ou à qui en a besoin. Ben Odoua, sur le terrain, est-ce que c'est le gouvernement qui évalue ou bien qui fait les estimations des besoins ou bien ce sont les humanitaires Il y a un travail conjoint, un travail de collaboration qui s'est fait entre le gouvernement et les humanitaires. Par exemple, pour la validation de données, avec le ministère de l'Action humanitaire, on a mis en place un mécanisme de validation de données. Les données sont récoltées au niveau des régions, ils sont validés par euh, les régionaux sous l'égide du gouverneur, ces données sont remontées au niveau du ministère de l'Action humanitaire, qui réunit un autre comité de validation et qui valide et dissémine l'information par la suite. Donc c'est un travail conjoint qui s'est fait de manière conjointe et, comme on le dit, hein, comme on l'a dit, c'est le gouvernement qui passe en premier. Tout ce que nous faisons, nous humanitaires, c'est en appui au travail du gouvernement. Euh, ben Odoua, quel est le rôle euh, de l'État ou du gouvernement dans le travail humanitaire euh, C'est une très belle question parce qu'il faudrait dire que le premier humanitaire, c'est le gouvernement qui a la responsabilité de prendre en charge sa, propre population. et si le gouvernement ne le fait pas Le gouvernement peut ne pas les faire. Le gouvernement les fait toujours parce que l'humanitaire, pour venir travailler dans un pays, doit avoir eu l'aval, l'appel d'un gouvernement responsable. Et c'est le cas ici. Je peux dire que le gouvernement est l'alpha et l'oméga de l'action humanitaire. C'est le gouvernement qui déclenche, c'est le gouvernement qui arrive à, au bout. Je prends un exemple. Si on est dans, un contexte de, de personnes déplacées, s'il y a besoin d'avoir un espace pour installer ces personnes, alors c'est le gouvernement qui est le premier à donner l'espace, qui fournit l'espace, qui aide aux humanitaires de pouvoir travailler, ok. À la fin de ça, c'est le gouvernement aussi qui est à la sortie les solutions durables pour ces personnes-là, afin que s'il y en a qui veulent retourner, ils retournent dans leur zone d'origine, s'il y en a qui veulent s'installer, ils s'installent sur place, ou alors ils sont relocalisés ailleurs. Donc le gouvernement est le premier dans l'action humanitaire, dans tous nos principes, c'est ça qui est édité, et c'est normal dans une famille que le papa soit le premier. Oui, on a l'habitude, on a coutume de voir euh, des gouvernements s'ingérer dans les affaires des ONG ou bien des gouvernements qui ont eu des quiproquos avec euh, des ONG. Comment l'expliquer dans un pays Il y a euh, des rôles régaliens qui reviennent au gouvernement. Ah. Tout ce que l'humanitaire fait dans un pays doit être connu par le gouvernement. Est-ce que c'est le cas ici au Niger je crois que c'est le cas. C'est le cas parce que euh, si, par exemple, quand on organise une réunion de coordination de l'équipe humanitaire pays et le ministère ou le ministre de l'action humanitaire vient participer, ça veut dire que le gouvernement participe avec nous. Euh, nous voyons au plus haut niveau, au plus haut niveau de la coordination humanitaire au Niger, dans le cadre des Nations Unies, euh, la, la coordinatrice humanitaire qui va faire l'honneur, qui va présider notre journée travail de concert avec tout ce qui a comme euh, autorité au, niveau de tous les secteurs, que ce soit les secteurs santé, que ce soit la primature. Donc c'est un travail conjoint qui s'est fait avec euh, le gouvernement au Niger. Il faut dire qu'on a un gouvernement qui nous appuie énormément. Merci Ben Odoua de l'Organisation internationale pour l'immigration. Olivier Eyanga, coordonnateur intercluster Oucha, quelle est la réponse apportée par les acteurs humanitaires et dans quel domaine ici au Niger Merci beaucoup euh, pour euh, cette question. Euh, avant de pouvoir parler de la réponse, je devrais d'abord parler de besoins. En cette année 2022, nous avons fait ce que nous, avec bien sûr l'implication des autorités nationales, le plan des réponses humanitaires. Et donc nous avons évalué le besoin le plus urgent, le besoin le plus fondamental de, de, de, différentes personnes qui sont, qui sont touchées. Et tout ce besoin évalué dans la région donnait une estimation de 552 millions euh, millions de dollars américains pour euh, tous les pays. C'est ce dont nous avions besoin pour répondre dans les différents secteurs à ce qui a été comme demande prioritaire pour les différentes personnes. Et ces montants dont je viens de parler euh, étaient normalement pour 3,7 millions de personnes qui étaient dans le besoin, vous l'avez d'ailleurs dit, mais on ne peut pas répondre aux besoins de toutes ces personnes, 3,7. Et au niveau de la communauté humanitaire, nous avions ciblé 2,3 millions de personnes. Et donc, voici le nombre des personnes qui étaient dans le besoin et ces estimations ont été faites au début de l'année. Mais vous l'aviez aussi dit pendant vos interventions, entre les débuts de l'année et au mois de juillet, euh, il y a eu énormément euh, de déplacements additionnels. Le chiffre, vous l'avez aussi partagé. Il y a d'autres nouveaux besoins qui se sont euh, créés, mais malheureusement, à la fin du mois de juillet, sur ce montant des 552 millions dont nous avions besoin, nous n'avons pu mobiliser que 20%, qui représente à peu près 110 000 dollars américains et qui pourrait éventuellement couvrir moins d'un million de personnes. Et donc, sur le 2,3 millions de personnes, il y a encore malheureusement des personnes qui continuent à être dans le besoin pour lesquelles malheureusement la réponse n'est pas apportée. Et les différentes réponses euh, qui sont apportées dans les différents secteurs, c'est notamment dans le secteur de l'eau, hygiène, assainissement. Euh, mais bien avant cela, mon collègue Mohamed l'a dit, la crise au niveau du Niger, c'est une crise de protection. Et donc, pour nous, toutes les personnes qui sont dans le besoin, devraient bénéficier d'une assistance. Au-delà de la protection, nous avons aussi les secteurs des abris euh, avec euh, les différents déplacements. Mon collègue Ben faisait allusion à la saison pluvieuse qui malheureusement occasionne les déplacements de population euh, et ces besoins en abri sont énormes. À part le besoin en abri, le besoin en eau, en eau hygiène et assainissement et en vivre, nous avons aussi de besoins dans les secteurs de l'éducation par exemple. Avec la crise qui sévit dans la frontière, dans zone la zone de trois frontières, frontière Nous avons malheureusement la fermeture de plusieurs écoles et qui déversent plusieurs enfants dans la rue et qui ne peuvent malheureusement pas continuer. Avez-vous pensé à ce niveau à une solution ou une, alternative En soutien aux, efforts des, autorités euh, euh, nationales, vous, le savez certainement bien, les autorités ont pris euh, à, bras, le corps cette question de, l'éducation en situation d'urgence, avec notamment la mise en place de, sites de regroupement où les, les, les élèves pourrait éventuellement continuer les enseignements en attendant bien sûr que la situation puisse se normaliser. Et je pense que... Vous avez, eu à faire un bilan à ce niveau Plus d'une euh, trentaine de sites ont été mis, en place pour euh, essayer de continuer l'éducation d'une trentaine de, plus de 30 000 euh, élèves dans la région des Tilabéry par exemple. Et donc ça, ce sont des efforts assez louables. Et comme je le disais, ce n'est pas... C'est un secteur pour nous qui est... Le secteur de l'éducation, c'est un secteur qui est prioritaire parce que les enfants qui constituent l'avenir de ce pays, on devrait fournir tous les efforts possibles pour qu'il puisse être la place des enfants, c'est dans l'école. Et donc, même s'il y a de, fermetures de fermeture d'école, on devrait absolument avoir des alternatives pour, que l'éducation, même en situation d'urgence, puisse continuer. Et bien entendu, à part la sécurité alimentaire, l'eau, hygiène, assainissement, il y a des problématiques de la santé. Vous l'aviez aussi mentionné, notamment sur euh, le point de la, de la nutrition. Et donc, ce sont des préoccupations pour nous. Et dans tous ces secteurs humanitaires, les réponses sont en train d'être apportées. Malheureusement, comme je l'ai dit, en termes de financement, ça constitue quand même un défi pour nous. Mais pourquoi euh, ce désintéressement de la communauté internationale à l'égard des besoins et des défis sur le terrain ici au Niger Je n'évoquerai pas cet aspect euh, en termes de désintéressement. Je pense que euh, nous continuons. Il y a un plaidoyer fort qui continue à être fait pour que la situation de crise au niveau du Niger puisse continuer à être portée à un haut niveau et nous avons plus avoir l'opportunité de pouvoir recevoir de, missions de haut niveau euh, dans ce pays. Et, et vous, faites allusion au déplacement du patron de, l'ONI ici au Niger Entre autres, hein, c'est je, je, pense qu'il a, il a, il a saisi cette opportunité de son passage ici pour euh, essayer de, de marquer de sa présence le soutien euh, à ce que connaît le pays, mais en même temps pour dire que les efforts qui sont fournis devraient être continu, on devrait continuer avec ces efforts afin que les ressources qui sont en train d'être injectées dans le pays puissent l'être afin qu'on puisse pas sombrer dans une situation et je dois, dire qu'effectivement, globalement, euh, il y a plusieurs zones de crise. Euh, ah, eh, Pour Effectivement, à ce niveau, Olivier Eyanga, quels sont les défis majeurs de la réponse humanitaire au Niger pour faire un lien avec euh, mon intervention de tout à l'heure, je crois qu'un des défis pour lesquels nous faisons face, c'est notamment le, défi de la mobilisation de ressources. Pour nous, euh, je vous l'ai dit, hein, pour 552 millions évalués pour euh, le besoin en assistance, nous n'avons reçu que 20%. On est au mois de juillet, non, on est au mois d'août. Et donc, pour nous, c'est quand même une réelle préoccupation en termes de mobilisation de ressources. Mais il y a aussi des défis en, tant que communauté humanitaire liés notamment aux questions d'accès. Je viens... L'accès aux zones d'insécurité par exemple Pour nous, l'accès, nous le, voyons sur deux aspects. Nous devons avoir accès euh, aux, populations dans le besoin, mais l'accès devrait aussi être un élément où les populations dans le besoin devraient accéder aux services sociaux de base. Ils devraient accéder aux, soins, à l'éducation, ils devraient accéder au marché. Ils devaient... Donc, cet aspect, malheureusement, il y a certains endroits où les populations locales ne peuvent pas accéder aux services sociaux des bases, mais aussi à des endroits comme à Tilabéry. Je reviens d'ailleurs d'une mission euh, depuis euh, lundi et je viens à peine d'arriver de Tilabéry, où effectivement il y a certaines contrées, il y a certaines parties, pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons malheureusement pas accéder et pourtant il y a de besoins dans ces zones-là. Donc je parlais des défis liés à la mobilisation de ressources, je parlais des défis liés euh, aux questions d'accès, mais aussi, il faudra qu'on le mentionne, il y a aussi de besoins des, défis liés à, l'insécurité. Vous l'avez mentionné dans votre introduction, dans la partie euh, de, dans, la région des trois frontières, mais aussi au niveau du bassin du lac Tchad. Olivier Eyanga, bien que l'aide humanitaire ait pour euh, but d'assister euh, les pays qui sont dans le besoin et de les aider, elle a des inconvénients selon plusieurs autres observateurs. Comment l'expliquer Ce qu'il faut savoir que les besoins humanitaires, euh, pour les, les quantifier, c'est sur la base des évaluations. Et l'assistance humanitaire a pour but principal pour sauver des vies. Et donc, pour nous, en tant que travailleurs humanitaires, nous continuons à croire que l'assistance humanitaire qui est apporté, c'est sur la base de besoins évalués. Lorsque ce besoin sont évalués, nous devons absolument mobiliser des ressources pour répondre à ce besoin. Donc, je ne voudrais pas glisser euh, sur euh, ce, terrain-là. Pour nous, euh, je pense que par rapport surtout à la journée, cette journée où on, veut rendre hommage aux, travailleurs humanitaires, beaucoup, on l'a dit, d'abord au sein de la communauté, beaucoup euh, de la partie euh, étatique, mais aussi de, ces personnes qui ont euh, quitté chez eux pour amener une certaine expertise et soutenir les différentes actions qui sont apportées, je crois que l'aide humanitaire soulage les population dans le besoin. Merci beaucoup Olivier Eyanga Adoucha. Adamou Amadou Tijani, quel appui ou assistance est fourni aux personnes les plus vulnérables telles que les femmes, les enfants et les veillards, aux déplacés internes, aux réfugiés et les communautés hautes du Niger. Bien, merci Kalangu euh, Kalangou pour nous avoir invités à, ce débat. Par rapport à la question, euh, déjà Mohamed Ben Olivier en ont déjà parlé. En tout mhm. cas, c'est des appuis multiformes. Au niveau du mouvement international de la Croix-Rouge, par exemple, nous intervenons au niveau de toutes les huit régions, puisque nous avons ce qu'on appelle les volontaires. Nous avons des volontaires communautaires là où l'insécurité est grandissante, par exemple, ce sont ces volontaires qui prennent le relais, c'est eux qui font le travail. Il n'y a pas de risque à ce niveau Non, le risque zéro n'existe pas. Mais c'est que sur un travail humanitaire, normalement, doit être protégé par les conventions de Genève que je salue au passage. Aujourd'hui, nous célébrons le 13 e anniversaire de ces conventions-là. Donc, en temps de conflit armé, le travail humanitaire ne doit pas être une cible, mais plutôt, il doit être protégé. Donc nous avons une multitude d'appuis. Mais, est-ce que tout le monde comprend euh, ce langage-là sur le terrain Oui, c'est pour cela que nous faisons chaque fois des diffusions au niveau des groupes armés, que ce soit les groupes armés réguliers ou bien les groupes armés non étatiques. Nous avons des diffusions que nous faisons sur les conventions de Genève, sur le droit international humanitaire ou droit de la guerre. Donc, il y a des documents également que nous distribuons à ces groupes cibles-là pour euh, internaliser ces documents, mais surtout le droit de la guerre qu'on appelle le droit international humanitaire. Vous parlez de la guerre classique. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une guerre classique parce que euh, aujourd'hui, vu euh, l'ampleur des événements dans un conflit armé, vu les moyens même utilisés dans un conflit armé, vous voyez, c'est-à-dire le conflit évolue. Mais bien que le conflit évolue, mais le droit international humanitaire limite toujours les moyens et les méthodes de faire la guerre. Donc vous comprenez. Et chaque partie au conflit est obligée de respecter le droit international humanitaire. Et tout ce qui concerne également les conventions de, Genève ratifiées par le, Niger en 1964 et leur protocole à' en 1979. Donc, ces interventions-là, nous le faisons suivant les sept principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et tout acteur humanitaire est obligé de respecter les, sept principes fondamentaux pour que l'aide humanitaire puisse parvenir aux populations nécessiteuses, que ce soit enfants, vieillards, femmes, déplacés, etc. etc. L'action humanitaire est orientée en respectant les sept principes fondamentaux du mouvement de la, de la Croix-Rouge. Et c'est des appuis, euh, comme je le disais tantôt, multiformes, dans le WASH, dans les abris euh, transitionnels, dans le cash transfert qui est aujourd'hui en tout cas un outil très indispensable pour le mouvement Croix-Rouge, puisque ça donne l'opportunité aux bénéficiaires de choisir eux-mêmes, c'est-à-dire euh, les besoins alimentaires. C'est de la nouveauté ça là oui, bon, c'est de la nouveauté pour certains, mais nous, depuis 2005, avec la crise euh, alimentaire que le Niger a connue, nous avons expérimenté euh, le cash transfert à Tanout en 2005. Après 2007, c'était concluant. C'était concluant. Parce qu'à l'époque, on a distribué 120 000 francs, francs par, ménage. Et à l'époque, le président disait de ne pas donner l'argent aux hommes, parce que si on donne l'argent aux hommes, ils allaient se marier, prendre une deuxième ou troisième épouse. Donc on a donné l'argent aux femmes. Quand on est allé deux ans plus tard, on a fait une évaluation. Honnêtement, toutes les zones qui ont bénéficié du cash transfert, en tout cas, les familles ont reconstruit le cheptel. Les enfants vont à l'école, contrairement aux zones qui n'ont pas bénéficié. Il y a deux ans, je suis retourné encore à Tanout, c'est-à-dire 13 ans après, je suis retourné à Tanout pour faire une évaluation. L'impact est toujours réel. Donc, l'avantage du cash transfert donne une opportunité aux bénéficiaires de choisir eux-mêmes leurs euh, besoins en nourriture, en abri, etc. Et surtout, ça va réduire le coût de transport. Que de transporter des vivres à partir de Niamey pour DIFA ou de Zander pour DIFA, le prix de transport peut prendre en charge d'autres victimes. Adamou Amadou Tijani, pouvez-vous nous parler du rôle joué par euh, les communautés dans l'action humanitaire au Niger Les communautés ont joué un rôle très fondamental, puisque toutes nos actions sont basées sur la redevabilité. C'est des actions de concertation, puisque comme l'a dit euh, Ben, maintenant on n'impose plus aux communautés ce qu'on doit leur amener, mais on leur donne le choix de choisir ce qu'elles veulent. C'est ça le leitmotiv de toute la communauté humanitaire aujourd'hui au Niger, puisque c'était la distribution classique à l'époque. Je me rappelle encore quelques années avec les réfugiés maliens. Donc les gens, quand ils étaient là, les gens pêle-mêle ont amené du maïs. Euh, et ça s'est retrouvé sur le marché. Mais justement, <laughs> parce que ça ne fait pas partie de leur habitude alimentaire. Donc Or, si vous leur donnez l'attitude de choisir leurs besoins alimentaires, vous ne trouverez jamais l'aide sur le marché. Donc vous comprenez, c'est ça l'avantage. Adam Amadou Tidjani, cette année, le Niger traverse l'une des crises alimentaires la plus grave de ces 20 dernières années. La situation nutritionnelle est tout aussi préoccupante avec une prévalence de la malnutrition chronique de 45,1% supérieure au seuil de 30%, je l'ai évoqué tantôt. La communauté humanitaire a-t-elle aujourd'hui les moyens pour y faire face aux défis nutritionnels, par exemple vous savez, en termes de, moyens, même l'État n'a pas les moyens de faire face. Or, la communauté humanitaire apporte un appui à l'État. Tout ce que nous faisons, nous nous alignons sur le plan de contingence multirisque de l'État. Donc, nous, nous venons en appui à l'État, quel que soit l'acteur humanitaire. On vient en appui. Et comme l'a dit euh, Ben, c'est l'État qui est l'alpha et l'oméga de l'action humanitaire. Nous, nous, nous venons en appui. En termes de moyens, Olivier a parlé tout à l'heure de 20% du budget mobilisé. C'est minime. Non, non, c'est très minime par rapport aux besoins, par rapport aux victimes de cette crise alimentaire. Donc, euh, c'est ensemble que tout peut devenir possible, comme l'a dit Mohamed. Il a parlé d'une unité d'action. Et c'est ça la vision nouvelle de la communauté humanitaire ici au Niger. Le thème de, de la journée mais résume tout. Parce que c'est ensemble que nous pouvons réaliser toutes nos activités. C'est ensemble que nous pouvons réaliser cette vision d'ensemble pour que les populations au plus euh, confins du, Niger soient touchées. Parce que individuellement, on ne peut pas le faire. On peut le faire, mais pas avec des résultats probants. Mais ensemble, on peut réaliser, et en tout cas, beaucoup de choses. Et les communautés vont ressentir l'impact de cette unité d'action au sein de la famille humanitaire ici au Niger. Merci Adamou Amadou Tidjani. On observe une courte pause. Mohamed Chikawi, quelles sont les difficultés auxquelles les travailleurs humanitaires sont confrontés dans les zones d'insécurité notamment Vous l'avez dit, c'est l'insécurité. <laughs> c'est un grand défi, c'est un grand défi pour tout le monde, mais c'est un grand défi d'abord pour les populations, d'accord Cette insécurité, et secondairement, cette insécurité affecte les, humanitaires euh, dans la mesure où euh, ils peuvent être pris aussi comme cible il y, a eu des précédents ici au Niger eh, Il y a eu des précédents, mais c'est des précédents volontaires, ce qui cible les humanitaires, c'est difficile à dire, d'accord Mais euh, je ne peux pas m'empêcher quand même de rappeler que euh, le 9 août 2020, il y a quand même sept euh, travailleurs humanitaires et leurs guides nigériens qui ont été tués et assassinés, donc à 60 km de, Niamey à Kouré. Dans la région de Tillabéri. Dans la région de Tillabéri. Allez-y. Et, donc, euh, donc ça, c'est donc le, premier défi, celui de, l'insécurité. Euh, insécurité que l'on prend en charge, enfin, défi que l'on, essaie, de, de, prendre en charge tous ensemble, euh, avec les autorités, avec les forces de défense et sécurité. nous avons mis en place des mécanismes de coordination, ce qu'on appelle les mécanismes de coordination civile ou militaire. Justement, ce sont des tables où on discute des questions de sécurité et de ce que l'on peut faire pour euh, amener la sécurité et permettre justement les déplacements et des populations, les déplacements volontaires des populations et les déplacements des, humanitaires pour assister les populations. Tout à l'heure, Amadou Adamou avait évoqué la question de la neutralité. Est-ce que toutes les parties, la partie gouvernementale et euh, de l'autre côté les groupes armés non étatiques, est-ce qu'ils comprennent euh, ce message je ne peux pas répondre à leur place. Oui, mais oui, est-ce que toutes les parties comprennent <laughs> votre travail non, malheureusement, tout le monde ne comprend, ne comprend pas le travail. Euh, vous oui, ah oui, si, tout le monde ne comprend, euh, si tout le monde comprend pas le travail, qu'est-ce qu'il faut faire pour Justement, le, le, problème, c'est de, de, ce qu'il faut faire, c'est communiquer. D'accord Communiquer, expliquer tout le temps à tout le monde. C'est de parler aussi à tout le monde. D'accord Les humanitaires, faut qu'ils parlent à tout le monde. Ils parlent à une partie d'un côté, à une partie de l'autre, on explique. Il y, a des, il partis qui ne veulent pas qu'on leur parle, mais on essaie quand même de leur parler, et on essaie de les, de les, joindre. Donc c'est dans la communication, dans l'explication, et c'est surtout de défaire toutes les rumeurs. Tout, à l'heure, vous avez dit que l'assistance humanitaire, euh, euh, je ne sais plus quel adjectif vous avez utilisé, mais comme, comme si l'assistance humanitaire faisait du mal. Non, l'assistance humanitaire ne, ne, fait pas de mal, au contraire, l'assistance humanitaire là pour euh, essayer de faire le bien Pour, aider naturellement. Et Ben l'a rappelé tout à l'heure. Euh, il faut que nous nous assurions d'apporter cette assistance selon les règles de l'art hein, et selon les besoins des populations pour répondre vraiment aux besoins des populations. Ben Odoua, comment éviter les risques et les menaces dans un contexte d'insécurité Ou comment minimiser les risques je pense que euh, je vais aller dans le même sens que mon collègue Mohamed la question de sécurité, euh, même nous dans les Nations Unies, on dit la question de sécurité, c'est d'abord la question qui concerne la personne. Ça veut dire que... Euh, l'humanitaire lui-même. L'humanitaire d'abord. Ça veut dire que quand on parle de l'insécurité, on vous donne l'information et on vous montre les risques et les dégâts qui peuvent arriver pour vous de prendre conscience et de vous sécuriser. Maintenant, quand il s'agit de la population, quand il s'agit de la population, des personnes déplacées. C'est la même chose. Il faudrait euh, donner l'information. Quand on donne l'information, par exemple dans les principes de protection, si on sait que on a des, des personnes déplacées qui se regroupent quelque part, et que c'est dans une zone qui peut être une zone d'insécurité, on conseille par exemple aux femmes de ne pas se déplacer seules, aller chercher de l'eau, il faut aller en groupe ça, constitue des actions de dissuasion. Lorsque deux, trois femmes se trouvent ensemble et qu'ils vont chercher de l'eau, euh, ça dissuade un tout petit peu la personne qui pourrait attaquer euh, ces, personnes-là. Et généralement, lorsque les populations font un déplacement, ils se déplacent parce qu'ils ont peur pour leur vie. Ils cherchent la sécurité. Et donc, euh, pour pouvoir minimiser, pour pouvoir nous assurer qu'on ait moins de dégâts en termes d'insécurité, il faudrait continuer à communiquer, donner l'information, passer tout ce qu'il y a comme euh, nouvelles nouvelle par rapport à, l'insécurité qui prévaut. Quand euh, toute, personne, toute personne humanitaire arrive au Niger, la première des choses que nous faisons, vous raconter euh, la corporation de sécurité, UNDSS, qui vous donne toute l'information. Tout ça pour vous mettre en haleine. La même chose, je crois qu'on devrait de plus en plus donner euh, l'information à la, à la population. Je me rappelle pour finir, à DIFA par exemple, euh, avec le gouverneur de DIFA, euh, avant qu'on commence l'opération de retour, hein, le gouverneur nous a confié que une ou deux ans auparavant, parce que ça c'était l'année passée, donc 2017, euh, plutôt 2018-2020, la population locale, la population déplacée qui se trouvait à Difa, demandait à l'autorité de leur permettre de retourner. Mais comme la sécurité n'était pas encore totalement garantie, l'autorité n'avait pas encouragé et le, retour. le retour. Et c'est ça. Même volontaire même volontaire parce que la zone n'était pas sécurisée. Mais aujourd'hui qu'il y a la sécurité, l'autorité passe l'information à qui euh, de pouvoir prendre l'information et de pouvoir, de son propre chef, prendre la décision soit de retourner, soit de rester installé à Difa, ou bien d'être relocalisé ailleurs. Donc il faut continuer à communiquer, communiquer. Euh, euh, merci beaucoup Ben Odoua, Olivier Eyanga. Face aux diverses crises engendrées par les multiples euh, déplacements, les inondations, les aléas du changement climatique, la malnutrition, quel est votre message pour la population du Niger hein, de façon générale avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord, je crois que mes collègues l'ont dit, hein, souligner, un fait, la résilience de cette communauté. Et je pense que avant, mes collègues l'ont dit, avant que nous les humanitaires puissions nous euh, euh, euh, nous retrouver pour les premières assistances, ce sont ces mêmes populations qui fournissent les premières, euh, les premières assistances. Le message à passer, je pense qu'il faudra respecter, euh, en ce qui concerne par exemple le, cas des inondations, euh, suivre les mesures des autorités et ne pas se retrouver par exemple dans les zones inondables, prendre un certain nombre de dispositions pour ne pas par exemple se, se laisser emporter et se retrouver dans les zones qui ne sont pas autorisées par l'État. Mais en même temps, je pense qu'une action aussi très importante, c'est de pouvoir, et ça c'est les autorités ont compris, de travailler sur tout ce qui est action anticipatoire. Il y a un certain nombre d'éléments précurseurs qui montrent qu'il peut y avoir des inondations. Pour cette année, par exemple, ah. nous avons reçu les, prévisions exactement. nous avons reçu l'information comme quoi l'année va l'année cette année on risque d'avoir une saison pluvieuse précoce, longue et avec risque d'inondation. Et donc, par rapport à ça, il y a des efforts qui sont en train Vous vous êtes préparé en conséquence. Avec notamment la mise en place de plans de contingence, la sensibilisation de la population. Et je pense que ce sont des éléments euh, euh, importants. Peut-être avant de, passer, je, voulais rapidement revenir sur... Euh, rapidement. Et je pense qu'on met de plus en plus en place des mécanismes d'échange d'informations. Par exemple, la cellule de coordination civilo-militaire, nous devons nous parler on se retrouve dans, une, euh, dans des zones opérationnelles, les militaires et les humanitaires, nous devons parler et ce cadre existe et ce cadre nous aide énormément à pouvoir décanter un certain nombre de situations. Merci Olivier Eyanga, Adamou Amadou Otidjani de la Croix-Rouge nigérienne. En temps de crise ou de catastrophe, quel genre de communication faut-il euh, privilégier avec quel outil et quel support <clears throat> merci en tout cas pour cette question pertinente. Tout récemment, je viens d'effectuer une tournée nationale au niveau de toutes les régions du, Niger. Les huit régions. Les huit régions où j'ai animé euh, une, euh, des communications sur la communication des crises en temps de conflit comme en temps de catastrophe naturelle. Donc euh, j'ai outillé tous les volontaires et cadres de la Croix-Rouge générale sur ce module-là, la communication de crise. Il n'y a pas, en tout cas, mille solutions que de communiquer pendant les trois phases. Avant, pendant et après une crise. Parce qu'une crise, c'est un événement inattendu. Pourquoi, pendant ces trois phases Oui, parce que eh, la, la, crise peut venir à tout moment. Donc, il faudrait se préparer pour y faire face avant la survenue de la crise. Donc il y a des mécanismes qui sont prévus à notre niveau. Nous avons un document qu'on a élaboré qu'on appelle Safer Access en anglais, l'accès plus sûr. C'est des mesures de sécurité que nous avons eh, eh, résumées en huit points pour permettre aux volontaires et aux personnels de la Croix-Rouge de mener leur activité sur le terrain, en tout cas en minimisant les risques. Donc, en termes de communication de crise, nous avons expliqué les mécanismes qu'il faut mettre en place pendant une crise avant la crise et après la crise. Donc, c'est une tournée que nous avons organisée et qui va reprendre, Inch'Allah, l'année, l'année prochaine. Et nous avons même formé les volontaires sur la communication digitale pendant une, période de crise. La communication digitale, c'est-à-dire La communication digitale, vous savez maintenant, c'est ce qui est en vogue. C'est différent de la communication classique que nous faisons. C'est-à-dire, quand il y a un événement, tout de suite, euh, euh, les volontaires, ils, ils font des petites vidéos de 30 secondes pour montrer et, aux gens l'ampleur et comment la Croix-Rouge parvient à gérer à gérer cette crise sur les réseaux sociaux. C'est la communication en réalité sur les réseaux sociaux. C'est efficace. Très efficace. Parce qu'aujourd'hui, euh, tous les volontaires, on n'a même pas besoin d'envoyer des équipes sur le terrain. Les volontaires sont outillés, en tout cas sur ce, dans ce domaine-là. Et on nous envoie les images que nous euh, partageons sur euh, nos réseaux sociaux. Compte Facebook, Twitter et plus maintenant le, site de la, de la Croix-Rouge. Merci Adamou Amadou Tidjani. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Mohamed Chikawi, coordonnateur et représentant du groupe de travail humanitaire à l'Association des organisations internationales représentées au Niger, OIRM. Ben Odoua, coordonnateur du cluster abri bien non alimentaire à l'Organisation internationale pour euh, la migration, Olivier Eyanga, coordonnateur intercluster euh, OCHA et Adamou Amadou Tidjani, coordonnateur euh, département communication et infodiffusion, rédacteur en chef du journal Solidarité à la Croix-Rouge nigérienne. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique côté son assurée par Amina Hassan et à la réalisation Seini Isaka. Merci, au revoir.